Voilà, bonsoir à tous. Yakuba Ouedraogo en direct du studio 12 de la Voix de l'Amérique ici à Washington avec vous. Je suis en votre compagnie dans cette émission d'avant-match de la Basketball Africa League dont la saison 2, je le rappelle, est en cours hein, à la Dakar Arena au Sénégal avec moi pour vous tenir en haleine ce soir. En direct de Dakar au Sénégal, nous avons Seydina Abagé, notre consultant. Seydina, bonsoir. Oui, je suis en ligne, je suis en Ici même en studio, on a Ali Abdul Jim et Sheikh Thiro, mais deux ils sont tous ensemble, mais ils s'entendent jamais. Quoi. <laughs> Ah, bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir, bonsoir, tout le monde. Bonsoir, bonsoir, euh, euh, Seydina. Tout à l'heure, dans 30 minutes euh, maximum, à 21h, temps universel, Duc du Sénégal, Dakar, Université Club, donc, joue face au Rwanda Energy Group. Mais bien avant ce match, les Tunisiens de l'Union sportive Monastir ont assuré hein, <laughs> leur troisième victoire dans la compétition en battant les Marocains de l'AS Salé. 96-90. Sédina, je m'adresse à vous. Ce fut un beau duel maghrébin. Euh, bonjour Ali, bonjour Yacouba. Je ne sais pas si Cher est là-bas aussi, mais je le salue. bonjour, bonjour Sédina. <laughs> j'espère que vous allez bien. Bon, euh, c'est un beau duel. Hein. Euh, un match surtout où euh, on a vu le Monastir mener de 22 points et être rattrapé par la suite par l'Aïs e à un moment où on ne s'y attendait pas vraiment, il faut le dire. Et, surtout, ce qu'il faut c'est que l'Aïs e est parvenu à mettre 90 points au monastère. C'est la première fois, euh, saison une comprise, que le monastère encaisse autant de points. Parce que je, je vous le souligner, la dernière fois, en, en, confortant Ali dans sa vision de la défense en basketball, que le monastère s'appuie sur une défense assez solide pour maintenir euh, ses adversaires à distance et gagner confortablement sans avoir à inscrire euh, euh, beaucoup de points. Aujourd'hui, on a vu que la défense de l'US Monastir a implosé et en zone mixte de Madiop James nous disait que la victoire aujourd'hui, elle est <laughs> relative, elle est au second plan parce qu'ils ont été très mécontents d'encaisser 90 points dans un match. Alors, Cheikh, Ali, l'un de vous en tout cas. <laughs> Quand on regarde les statistiques, le fameux Stoglin, il met 41 points. bon. Et à la fin, son équipe paie. Absolument, c'est ce qu'on parlait le, le match précédent. <laughs> le monsieur peut il est toujours le meilleur marqueur du, du tournoi, hein. et quelles qu'en soient les défaites qui vont suivre, je pense qu'il va être le meilleur marqueur du tournoi. Mais on voit maintenant que n'est pas seulement de marquer les points, c'est de gagner les matchs. Bon, on n'a pas vu ça avec eux, ils ont du problème avec ça, et nous avons vu que est, est le seul joueur qui est vraiment disponible à marquer 40 points par match. Si d'autres pouvaient aussi essayer de l'aider, mais, je vois que le match précédent va en venir d'abord. Euh, oui, Ali. Stock lui met 41 points. Il avait fait face hein, à, à, Beira. Ils ont failli perdre jusqu'à ce qu'ils se ressaisissent vers la fin du match et que finalement l'AS Salé gagne. Cette fois-ci, il va au-delà jusqu'à 41 points, mais l'AS Salé perd. Et donc, à la fin, on se demande, bon, lui, il est le meilleur joueur, mais après, ça ne suit pas pour son équipe. L'AS Salé a deux joueurs qui ont, veut dire, euh, inscrit 65 euh, points mhm. entre les deux. Mais euh, ce match se joue entre cinq personnes on ne peut pas dire euh, compter sur ceux deux euh, de pouvoir gagner un match. Et euh, comme je l'avais dit auparavant, qu'ils ont un problème sérieux de pouvoir dire faciliter la tâche à tout le monde et pouvoir leur donner la victoire. Comme Cheikh vient de le dire, hein, il peut être le meilleur marqueur du tournoi, mais avec zéro match gagné, euh, gagné ou soit euh, n'est pas arrivé ils euh, au qu'une Ils, ont joué trois matchs, ils ont perdu deux, mhm. juste une seule victoire face à Beira. Donc c'est un truc que moi je vois, ça, il n'y a pas de changement là-bas si on veut dire la vérité. Et bien sûr, c'est le meilleur scoreur de, l'équipe, mais du tournoi, du, tournoi, mais il me semble-t-il qu'ils doivent avoir un changement réel pour pouvoir lui dire leur donner la chance de gagner le second, le, match qu'ils vont lui dire jouer prochainement. Alors, Sedina, une fois de plus, on le disait, Stoglin hein, de l'AS Salé a mis 41 points. La fois dernière, tu disais qu'il fallait l'isoler jusqu'à la fin. Et puis bon, il marque beaucoup de points après, à la fin du match, son équipe perd. C'est ce qui s'est exactement passé aujourd'hui. Oui, euh, comme, on l'avait souligné la dernière fois, euh, son équipe euh, a pu s'en sortir parce que dans les moments cruciaux du match, dans le money time, il a su euh, la balle, il a su jouer avec ses partenaires. Aujourd'hui, il a battu son record parce que l'année dernière, c'était le record euh, du nombre de points inscrits euh, de la balle avec 40 points. Aujourd'hui, il l'a battu avec 41 points. Mais ce qu'on remarque, c'est, comme vous l'avez souligné, il a des statistiques assez affolantes, mais l'apport pour l'équipe aurait pu être plus s'il avait, dans le money time, joué peut-être comme il l'a fait lors du dernier match euh, face à Et surtout, il faut, remarquer que Stoglin tire énormément. Euh, Peut-être qu'Ari ou Cheikh, s'ils étaient sur la terre et qu'ils prenaient autant de shoots, ils allaient terminer avec euh, également autant de points. Parce qu'on voit que Stoglin a, tenté 23 euh, tirs. bon, il, est à, il est à un ratio de 52%, il faut le dire également, parce qu'il en a mis 12. Abdullah Haroun est à 20 tirs, il en a mis 8. C'est pour vous dire que ces deux joueurs-là, à eux deux, ils ont pris plus de tirs que l'ensemble de l'équipe. Pratiquement, ils ont pris le double euh, des tirs de l'ensemble de l'équipe, ce qui est énorme. Et je pense que pour une équipe qui veut gagner euh, face à un ogre comme Monastir, c'est bien d'avoir des aides qui mettent près de 30 points, mais également très important de faire tourner le collectif. Ali, Monastir a désormais trois victoires en trois matchs. On peut dire les Tunisiens sont presque sûrs hein, d'être en playoff à mhm. Kigali. Mais bien sûr, parce que euh, ils sont venus euh, pour euh, gagner. Ils ne sont pas venus pour dire mettre des scores. Ou par exemple, si on voit sur les statistiques, sur les 50 ans, il me semble que à peu près tout le monde avait plus de 10 points, sauf que Ousmane a 9 points. Mais euh, la réalité, euh, c'est de, dire que euh, l'équipe tunisienne est venue pour gagner ce tournoi et se, faire représenter au deuxième tournoi qui va se commencer en Égypte. Donc, et pourquoi pas gagner le, le, championnat Voilà. Donc, c'est ça. on, appelle ça une organisation qui est bien soudée entre les, les joueurs et aussi les entraîneurs. Ils comprennent quelle est veut dire, euh, euh, la hauteur on peut veut dire, mettre en face euh, des, équipes qui vont veut dire, pouvoir venir parfois comme la SAL qui a un joueur ou deux joueurs, comme Seyna l'a dit, entre les deux, ils ont pris plus de, de, que les autres. Donc, c'est normal. Donc, maintenant, on voit l'équipe a gagné avec cinq joueurs qui ont marqué la majorité de ce point. Mhm. Donc, ça, ça, ça, donne la différence entre les deux équipes. Mais, moi, je veux dire quelque chose que Cheikh a dit. Euh, par rapport à l'autre, euh, la SAE. Ils ont, ils ont eu, ils ont eu l'opportunité de jouer euh, le dernier match et après il y avait assez de, de, de techniques qui a manqué l'équipe euh, de, de, prendre dessus. Ils sont venus, ils ont gagné le match. malgré. Nous, connaissons le gros problème de, cette équipe. Donc, euh, oui, mais apparemment, c'est un problème qui est, qui est, qui est visible, ce n'est pas caché. La coach Liz Mills de l'AS Salé, l'Australienne hein, de, de l'AS Salé, elle, elle, elle, en est consciente. Mais comment elle n'arrive pas à mettre dans la tête de ces joueurs-là que, même si individuellement vous êtes au-dessus et que chacun marque peut-être 40 points, à la fin, quand on perd, ça ne sert pas l'équipe. Absolument. Bon, moi, quand même, moi, je vais souligner le problème de l'équipe AS Ali, Ali euh, et Yaku et Sedina. Et euh, le big man, je, parle toujours de ça. <laughs> tu parles toujours de ça, Yaku. moi, moi mon gars. Tu parles encore de Cali. Non, non, non. Moi, mon gars, Mojak a abusé au poste aujourd'hui. Mm -hmm. est le deuxième pivot 41 Slemani. le monsieur a 41 ans. Mhm. C'est lui qui a le meilleur. le, le meilleur score, le meilleur marqueur de l'équipe. J'ai regardé tous les matchs là, j'étais impressionné. Et pourquoi coach Liz a toujours laissé euh, Bushi, sur le terrain qui a marqué seulement 3 points. Et puis, rebond offensif. Mojak a pris 5 rebonds offensifs, 7 rebonds défensifs. Moudjak était le meilleur joueur de l'équipe aujourd'hui avec double double, c'est ce qu'on appelle ici. L'ancien professionnel de, de, la Lakers et puis qui a joué, qui a voulu aux États-Unis ici, il a marqué 14 points, 12 rebonds, ça c'est double double et puis il a 3 blocs. Donc tu vois qu'il y a des mismatchs entre les pivots. C'est Coach Lee, c'est Coach qui doit vraiment voir, laisse-moi c'est Coach qui doit vraiment voir que et mes pivots ne donnent pas beaucoup. Il faut essayer d'autres gens de les remplacer dans les matchs comme ça pour vraiment voir d'autres gens dans l'équipe. Parce que moi, j'ai vu qu'il a joué 23 euh, minutes avec Bukishi, qui a 3 points seulement. Et les gens oh, qui alors que c'est lui qui a été décisif dans faut... leur victoire face Absolument. à Absolument. Il, faut qu'elle fasse ce changement comme ça pour, pour vraiment revenir dans les matchs avec la Salé. E. Sinon, si tu donnes trois meilleurs joueurs comme euh, euh, Aruna, comme euh, euh, l'argenté l'Argentin et euh, l'Espagnol le, Alvaro, Alvaro, et avec Stoglin. Si je donne ça à une, coach comme les Rwanda, tu penses qu'ils vont jouer comme ça ouais, Ça va être quelque chose de grave. Donc elle doit, vraiment, elle doit vraiment changer le mode de coaching avec ce jeu. Il, faut savoir qu'elle elle a le même, et on lui donne le même statistique qu'on a devant nous. D'abord, un, à la mi-temps, c'est ce qu'elle reçoit, c'est ce que nous, on a reçu aussi. C'est ça. Mais si on voit bien, l'équipe a fait que 19 passe décisif, et Monastir avait 31 passes décisives. Mais écoute, il y a un problème de, communication sévère dans cette équipe. Mm-hmm. Et ça commence avec les dirigeants de l'équipe. Si Chekla l'a dit que le grand a joué, il a marqué trois, voilà, trois, trois points et trois rebonds et 20, 24 euh, euh, points. 26, minutes. 26 minutes. Pour un pivot. pivot, Mais il n'est pas le un problème. titulaire il, n'est pas le problème de l'équipe. Le problème de l'équipe, ce sont les deux là qu'on a. Il faut pas oublier. Et comment comment on peut dire avoir confiance à toute l'équipe, mais les autres n'arrivent même pas à s'exprimer. On en compte seulement que sur deux joueurs. C'est exactement ça. voilà. Parce Donc, quand on si regarde elle, veut réellement dire changer l'image de cette équipe, c'est de pouvoir dire donner l'opportunité à tout le monde qui va venir dire être euh, euh, librement veut dire euh, participant dans cette équipe. Mais il me semble qu'il y a des barrages qu'elle doivent dire casser. Et si ce gars, moi et si on est dans la même équipe, on a un gars comme lui, Stone, qui marque 41 points. Mais si on ne gagne pas, on va dire qu'écoute, le prochain match, tu n'as pas marqué 41 points. Donne-nous au poste. Donne-nous. Ou bien nous-mêmes, on va essayer de faire quelque chose pour vraiment changer ça. Mhm. Et puis ça, ça, doit se voir dans l'équipe. C'est le, coach qui doit voir ça d'abord. en fait, ce que je n'arrive pas à, saisir, peut-être que je ne sais pas si vous partagez la même vision des choses. C'est vrai qu'un garçon comme Stoglin, il est indispensable dans une équipe. On a besoin des gars qui shootent et qui, qui, marquer, consistamment, comme tu le dis. Mais à la fin, pourquoi on n'est pas à mesure de faire comprendre à Stoglin que même s'il marque 100 points et que l'équipe perd, ça ne sert absolument à rien. Bon, moi, moi, moi la réponse, c'est seulement, Yakou, euh, et c'est lui, seul, c'est lui seul qui peut marquer 40 points dans cette équipe. Pour moi, je vois que s'il passe la balle, bon, s'il passe la balle aux autres, <laughs> bon, il veut se dire non, ce que tu veux faire, lorsque je vais te faire la passe, je le fais mieux que toi et donc laisse-moi shooter. Oui, bon, absolument, non, bon, ça passe à seulement quoi. Ben, et si tu donnes la balle à, un pivot qui ne peut pas marquer, à, la, Kobe Bryant, un, pivot qui, qui saute même pas sur le sol, et, il marque, il, rate comme ça. Ça énerve un meneur. Parce que le meneur amène la balle depuis l'autre cerceau et de l'autre En fait, vous pensez que Stoglin est un peu agacé par les performances un peu en deçà de ses coéquipiers Le système qu'on a mis en place dans cette équipe, c'est entre lui et l'autre euh, Aruna. Aruna. Aruna, et Alvaro. Aruna Abdoulaye et puis Alvaro Massa. Voilà, ce système est, cons est consistamment entre est les, trois. De ces trois. Voilà. Et si si si on veut, veut dire voir l'adversaire va dire, écoute, on va jouer contre cette équipe demain. Il n'y a qu'un seul gars dans l'équipe là. Si on arrive à le fermer, on gagne le match. Ou soit, laissez-lui marquer 50 points et nous, on va pouvoir venir marquer collectivement 120 points. Sédina l'a dit la fois dernière, hein, il faut l'aider à s'isoler et à continuer à chuter et à la fin son équipe paye. Sédina, vous êtes là avec nous ah, alors, Sedina, on, le soulignait, est-ce que finalement Stogling apparaît plutôt comme une solution ou le problème hein, de cette équipe de l'AS ali euh, Moi, je le vois plus comme un, problème parce que, comme je le soulignais tantôt, quand lui et Aruna Abdallah prennent à eux deux le double du total de, de tirs tentés par le reste de l'équipe, ça souligne un problème de collectif. Et comme euh, le soulignaient Cheikh et Ali, ils ont parfaitement raison. Le, le basketball, il y a des individualités, mais avant tout, c'est un sport collectif. C'est pas comme l'athlétisme où on, capte le chrono à la fin. Euh, et son entraîneur l'a dit en conférence de presse, coach Liz Mills. Elle dit que pour elle, la statistique de Stroglin, c'est 41 points qui constituent un record dans cette Basketball Africa League et anecdotique, et anecdotique pardon, à côté de la défaite de son équipe. C'est dire que Stroglin met des points, mais pour le moment, c'est un problème car pour un meneur, il ne fait pas assez circuler la balle. Alors, Sedina, on va parler à présent du match hein, qui va commencer dans 15 minutes exactement. Dakar Université Club face à Rwanda Energy Group. <laughs> Deux sorties, deux défaites pour le Duc, deux sorties, deux victoires pour Reg du Rwanda. Donc, alors ce soir, c'est quoi le défi hein, pour le coach parfait à Divon de Duc le, défi c'est gagné parce que <laughs> euh, je, je vous donner le titre des, médias sénégalais aujourd'hui. Ils ont tous partagé la, pratiquement la même petite rail ah C'était euh, session de rattrapage pour les étudiants. <laughs> c'est devenu maintenant des devoirs d'université. <laughs> parce, que, pour eux, maintenant, il faut rectifier le tir ou bien sortir de la compétition. Absolument, absolument. On, voit mal le but enchaîner trois défaites et pouvoir euh, se tirer euh, de cette compétition et se qualifier parmi les quatre premières équipes. En tout cas, ce sera très compliqué à la fin et ça va mettre l'équipe et nous-mêmes les observateurs dans des positions de calcul assez inconfortables. Donc je pense qu'aujourd'hui, euh, le seul défi du coach parfait adjuvant, euh, c'est la défense, mais surtout euh, euh, surtout la victoire. la Parce que la dernière fois, on a vu qu'ils ont mis 92 points, mais quand on met 92 points pour en encaisser plus derrière, c'est un souci. Donc aujourd'hui, il faut que qu'ils verrouillent la défense et que l'équipe maintienne son niveau offensif. En parlant de défense, Yacou, ah il, nous faut, il nous faut des jeunes, des, gens qui sont fraîches. Hein. en fait, tu t'apprêtes à voir Babacar ouais. Sané exploser. Sané exploser, je le jure, parce que il va jouer contre des, pivots, il va jouer contre le pivot qui, est à sa, qui, est à sa hauteur, qui est plus costaud que lui, et le numéro 41 de l'équipe rwandaise euh, qui a Pichu Manga. Pichu. Manga. Pichu Manga. Ils ont, non, jouer avec Non, Pichu Manga ne peut Il faut pas oublier Anthony Walker aussi, hein. <laughs> Absolument. Anthony Walker, c'est de lui que je parle. C'est de lui que je parle, le numéro 41, parce qu'ils ont les mêmes, ils ont le même euh, niveau d'athlétisme sur le terrain. Vous avez vu celui qui a le, il a eu le dé spectaculaire du, du, du tout le tournant et puis il a sauté sur deux pivots. Ah Donc, euh, La seule, le seul joueur qui peut faire ça dans l'équipe euh, euh, sénégalaise, c'est Sané. Bon, et puis, il faut Sané et puis il est fraîche. Moi, je pense quand même, comme Sadina a parlé de la défense maintenant, il, nous faut des jeunes gens fraîches qui peuvent courir du début jusqu'à la fin sans problème. La réalité devant nous ce soir, c'est que l'équipe sénégalaise va affronter une équipe qui est expérimentée, une équipe qui a, vu dire, goûté un goût euh, de gagner les matchs euh, et voilà <laughs> ça, ça, ça, va être difficile quoi parce que il faut comprendre que le coach même là, il va faire face à un coach expérimenté, un coach qui connaît oui, comment. Patrick quand même de, Voilà, il connaît comment dire, euh, manager son temps et, tout. C'est un coach donc, qui à la minute. Voilà, donc il va avoir des systèmes en jeu qui va venir dire pouvoir euh, lui donner euh, les mots de tête, euh, le coach sénégalais. Mais pour moi, ce que moi je veux voir ce soir, c'est que une équipe complètement soudée et une équipe qui va veut dire communiquer en, défense et avoir Monsieur défense voilà qui va jouer, qui, va, <laughs> qui, va jouer collectivement et aussi d'être prêt à une surprise qu'on ne sait pas s'ils vont pouvoir être à la hauteur. On ne souhaite pas que Dakar Université sorte de la compétition dès maintenant parce que quoi qu'on dise, c'est le club hôte, c'est eux qui accueillent la, cette phase de la compétition. et donc, ne serait-ce que pour la beauté du tournoi, on souhaite que les Sénégalais quand même puissent passer ce Mais ils doivent venir, jouer. Et on va pas leur passer la victoire s'ils viennent pas jouer. Peut-être, euh, peut <laughs> nous dire ce soir euh, comment est la, public là-bas ah et comment est-ce que les gens sont en train de venir vraiment supporter l'équipe sénégalaise. Tout à fait, Seydna. Hein, et, juste avant que tu ne commences à réagir, on se rappelle que lorsque les étudiants ont fait leur entrée massive hein, dans la salle la fois dernière face à Beira, eh bien, ça changeait un peu le cours du match. Est-ce qu'il y a des supporters justement, comme Cheikh le dit, dans la salle? Euh, je pense qu'ils ont compris cela. Euh, parce qu'aujourd'hui, ils ont commencé à arriver au milieu du premier quart du match entre l'ASL et l'US Monastir. Et vers la fin du match, ils ont commencé à remplir les tribunes. Ils n'ont pas attendu, comme la dernière fois, le premier quart Comme je vous le disais tantôt, <laughs> euh, la caravane était en retard euh, lors du dernier <laughs> match. la caravane est en avance. ce, soir, c'est vendredi, donc la caravane est là. Nous sommes à la porte du week-end. On espère bien que le Duc va vous donner un très bon week-end. Alors, Seydina, on l'a vu, hein les, joueurs, du, les basketteurs du, Duc ont, surtout joué les deux premiers quarts-temps et après ça, ça a fortement baissé en régime. Euh, est-ce que vous pensez que le coach Parfait à Divon, par exemple, a pris des dispositions pour corriger cela ce soir ah, oh, en, tout cas, c'est la remarque générale que tout le monde lui a fait parce qu'on lui a dit, coach, on voit que votre équipe peut-être peine à entrer dans le match, mais à chaque fois, il termine la première période très fort mais ils ont, ils ont, ils ont beaucoup de mal à enchaîner en début de seconde période. Et ça se voit tout le temps dans les scores fleuves que le Duc prend lors des, des, des troisième cartons. Même si des fois, il termine plutôt bien le quatrième carton. Mais quand on prend un certain écart dans le troisième carton, c'est difficile à résorber euh, avant la fin du match. Et c'est ce qui leur est arrivé face, euh, lors, du dernier match euh, face au Ferroviaro. Et je pense que autant Ali, que Cher ont chacun souligné un aspect très important que, si je pense, sera déterminant dans ce match. Ali a souligné le premier aspect, c'est la fraîcheur physique des joueurs. C'est important parce que le but peut-être a montré des signes de fatigue euh, lors, lors du précédent match, notamment à cause de la gestion de certains joueurs comme Babacar Sané. Euh, on l'a laissé sur le terrain trop longtemps et à la fin, il était un peu émoussé. Il n'a pas pu donner autant qu'il l'avait fait mhm. lors de son impressionnante première euh, mi-temps du match précédent. Aujourd'hui, par contre, on l'a vu très tôt dans le match. Euh, les joueurs du Duc étaient en train de se chauffer, de tirer pour prendre un peu la main. Et lui, le staff physique l'a mis à part. Il était en train de faire des échauffements spécifiques uniquement basé sur le physique sans toucher à la balle pendant 10 à 15 minutes. il a été mis à part pour ces échauffements physiques-là. je pense que, comme Ali l'a souligné, il peut être un des éléments déterminants de ce match. L'autre aspect, c'est l'aspect tactique. Pierre l'a dit. Parfait, parfait, adjuvant va faire face à un coach qui, même s'il n'était pas coach principal à NBA, était dans l'antichambre, était coach assistant et a une certaine expérience. Et on l'a vu sur la dernière phase tactique qu'il a mise lors du match euh, précédent qui lui a permis euh, de gagner au buzzer buzzer Donc, euh, le, face, au slack, absolument. Mhm. La coaching là, ça, ça compte beaucoup aussi. J'ai y une petite remarque, sur j'ai une petite remarque ce côté-là quand on parle de la coaching. Et tu vois, quand un vrai coach voit la faiblesse d'une équipe, il prend l'avantage. Hein. c'est le cas du match précédent qu'on vient juste de voir. Le coach a vu vraiment. Ce n'est pas une question de, que j'aime pas Pichumi, euh, c'est quoi Non, non. c'est une question. C'est une question de vraiment. Les coachs, c'est au coach de voir vraiment c'est quoi les points faibles de cette équipe et prendre l'avantage là-dessus. Il faut voir les deux big men. Les deux big men, Slimani et Moudjak, quand il a su qu'il n'y a pas de pivot sur le terrain qui peut le donner, et le, Suleiman a été le meilleur marqueur, Mojak a été le deuxième meilleur marqueur de l'équipe, c'est les deux pivots. Alors leur match précédent, c'était pas comme ça, parce qu'ils jouaient contre eh, les, Slack de la Guinée, je pense, eh, les Legacy Club eh, de, la Guinée. Mm-hmm. Ils ont changé le jeu, parce qu'ils sont, avec, ils sont affaire avec des équipes qui sont trop athlétiques. Ils ont mis Mojak souvent, et puis on les en remet parce qu'ils ont vu la différence entre les pivots qu'ils ont et les, pivots qu'ils ont. Donc oh, c'est vraiment le coach de vraiment voir l'avantage ou la faiblesse d'une équipe. Prends l'avantage sur toi et puis si tu vois l'autre équipe qui a eh, des, des, avantages sur toi, il faut utiliser ton avantage de la faiblesse des, autres, équipes. Surtout quand on n'est pas fort. Absolument. Bon, c'est ce que le coach, un bon coach doit voir ça. Bon, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de coachs qui voient ça, mais en général, comme je vais, je vais toujours répéter, nous qui sommes derrière, dans derrière sur le terrain, nous, voyons mieux. le petit écran. Voilà, nous voyons mieux. Et qui parlons beaucoup. Voilà. Et puis, nous voyons mieux que les <laughs> joueurs, nous voyons mieux que les joueurs qui sont sur le terrain. Donc, euh, c'est aux coachs qui sont déjà dans le, eh. côté du terrain, qui voient mieux que tout le monde. Tu vois, qui peut vraiment faire des changements. On a vu ça avec euh, ah. le, coach de Rwanda. Un coach, Un coach expérimenté, il a besoin de 5 minutes de pouvoir identifier le problème d'une équipe. adversaire. Et après 7 minutes de jeu, il va venir dire prendre un time-out. Après le premier carton. Voilà, il va prendre un time-out. Il va commencer à signaler à ce joueur que bon, voilà, telle personne telle personne a ce, ce, ce euh, euh, handicapé, mhm. il faut qu'on l'utilise. Mhm. Voilà. En général, ils voient ça même au scouting report, dans les vidéos. Mais oui. Tu vois, avant, de venir même là-bas. Ils, visionnent beaucoup hein, les vidéos des autres équipes pour savoir un peu comment l'équipe adverse joue, comment il faut l'aborder, tout ça. La majorité de coachs ne se lèvent pas au premier carton. Pourquoi Parce que il faut observer tout ce qui se passe devant nous et maintenant, on arrive à identifier le problème. Le problème. Et maintenant, on va mettre un système en place pour pouvoir venir attaquer, attaquer, attaquer, attaquer. L'équipe sénégalaise va venir pouvoir venir euh, euh, ce soir jouer devant son public. Mais il faut faire attention. Jouer devant son public et faire des erreurs euh, qui n'ont pas venir dire à la hauteur il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Donc on va et puis en plus il, jouent joue contre une équipe qui est expérimentée, comme je l'ai dit très auparavant, hein. très posée. Ils vont venir utiliser ce public en leur faveur aussi. Pourquoi Parce que si on arrive à éteindre ce public, mhm. le, match est gagné. Hein. Non, c'est vrai. On, on les joueurs sur voilà, ils il faut il faut voir sur cet aspect-là aussi. Donc ce soir, l'équipe sénégalaise doit se poser et doit dire prendre soin de son business. Organiser d'abord, s'organiser défensivement. Et la défense, ça compte beaucoup. Laisser le public les accompagner à une victoire pour la première fois à la maison. Donc, euh, mais écoute. Sedina, lorsqu'on a perdu ces deux premiers matchs, c'est le cas de Duc, comment on aborde un, match aussi crucial euh, je, pense avec euh, la plus grande détermination possible parce que euh, comme euh, on, l'a souligné euh, tout au long de cette semaine, des fois dans un match, c'est la détermination des joueurs et leur implication. C'est 90%. C'est 90% de, de, la détermination d'un joueur. C'est 90% qui prend ton talent et ton physicalité. Vas-y, Céline. Ah, oui, voilà, parce que quoi qu'on dise, c'est comme une comparaison entre un joueur qui a un don de Dieu et un joueur qui s'entraîne chaque jour. Peut-être le don de Dieu peut te faire jouer pendant un à deux ans, mais si tu ne t'entraînes pas, tu ne pourras pas tenir physiquement et donc tu ne pourras pas gagner ni enchaîner. Absolument. La détermination, c'est la même chose. On ne peut pas avoir le talent et vouloir dormir sur ses lauriers. À un moment donné, il faut montrer de l'envie. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, le, le monastère, si c'était une autre équipe, peut-être qu'ils allaient flancher. Avoir un écart de 22 points, le voir fondre en quelques minutes, face à une équipe euh, supposée plus faible, ça aurait terrassé certains effectifs de ce tournoi. Mais le Monastir a montré beaucoup de caractère, ils ont élevé leur niveau de jeu euh, et montré beaucoup de détermination et d'envie pour remporter ce match-là. Et je pense que c'est ce qui manque au Dakar Université Club, faire preuve d'envie et d'engagement, surtout, surtout lors du troisième carton. Alors Ali, le, le, maître à jouer en principe de cette équipe de Duc, c'est Tieno Onyang qui n'a pas du tout donné lors des deux premiers matchs. Comment on gère un garçon comme ça Mais il n'est pas parmi les 50 ans ce soir. On l'a changé avec euh, Tarek euh, Ali. Ça pouvait dire euh, commencer avec un leadership dès le début du match et faire d'une manière que l'équipe soit soudée, collée et jouer ensemble. Pourquoi Parce qu'il n'a pas donné, pendant les deux matchs qu'il a joué, il n'a pas donné à, sa fond de, de ce qu'on connaît, qu'il peut donner à son équipe. Donc maintenant, on a, Tariq Ali qui va venir commencer le match ce soir. Et euh, je ne vois pas pourquoi avait dire euh, euh, avoir ce changement-là. Le deuxième match, ils ont joué. Et pour moi... On se rend compte aussi que Babacar Sané ne va pas commencer. Mais c'est la surprise que moi j'ai. Mhm. Tu vois, ça me fait un peu mal de voir ce jeune. Euh, <laughs> Je savais. <laughs> L'espoir du, l'espoir du basketball non. sénégalais. sénégalais non. Même de l'Afrique. <laughs> non, non, non, non, non. il faut, il faut pas, comme on l'a dit, il faut pas euh, confondre vitesse et précipitation. Tout à fait. Le petit a besoin de beaucoup d'expérience. Justement, il a beaucoup d'énergie. Voilà, il a beaucoup d'énergie, mais il a besoin de des expériences dans les matchs. Euh, et peut-être que c'est l'arme fatale hein, du coach Adjivan qui va l'utiliser à un moment donné où, où on a besoin de lui. Voilà, où, on a besoin de lui et à un moment donné où peut-être bien sûr l'équipe rwandaise sera un peu touchée physiquement quoi. Passez-lui la torche. Passez-lui la torche. Ali n'est pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi <laughs> Parce que cet enfant doit me dire, on doit lui dire, donner cette il faut, Est-ce qu'il faut mettre en tout cas, là, match entre les mains d'un garçon comme Babacar Sani Pourquoi pas Parce qu'il il a, déjà fait deux meilleurs matchs. Mais il y a déjà un garçon comme Tariq Ali qui répond. Mais ils doivent être ensemble au terrain pour, pour céder. Non, je vais dire, sans doute, à mon humble avis, c'est certainement l'arme fatale. Sedina Serina, si tu veux réagir, tu peux, hein, vas-y. Pourquoi je pense plus pour l'analyse d'Ali Pour moi, il faut donner un signal fort dès le départ du match. Mettre quelqu'un comme Tchernognan pendant deux matchs, il n'a pas l'apport espérer et surtout il plombe l'équipe au niveau de l'animation offensive, il faut le sortir et récompenser la performance de Ali. Ne serait-ce que le fait de le mettre dans le 5 majeur, ça montre à l'équipe que l'entraîneur tient compte des performances individuelles et collectives et il encourage la performance, l'engagement et l'envie. Mais maintenir un garçon comme Tchernonian dans le 5 majeur alors qu'il est très très peu performant, c'est donner pour moi un mauvais signal à l'équipe. Check, c'est ton avis Ouais, bon, moi, c'est vrai. Moi, je pense, je, partage le même avis avec Ali et Sedina. et, il faut commencer fort parce que <laughs> si tu gagnes ce match, si tu perds ce match-là, tu seras, la dernière euh, de, se qualifier aux, prochaines étapes du tournoi. Donc, il faut aller avec les meilleurs, moi, je pense, oui. Merci, Ali. Merci également, Sedina depuis Dakar. Merci, hein, cher Thierry. Eh bien, dans quelques secondes, hein, ce sera le match du côté de Dakar. On prend une petite pause. C'est parti pour la deuxième saison de la Basketball Africa League, l'événement basketball de l'année. La Voix de l'Amérique, en partenariat avec la Balle, vous fait découvrir l'événement phare du basket africain. 12 clubs en compétition pour succéder aux Amalek, vainqueurs de la première édition. 38 matchs à disputer dans trois pays, le Sénégal, l'Égypte et le Rwanda. Retrouvez les matchs en direct les avant et après match, ainsi que des résumés quotidiens sur les ondes de la VOA et sur nos stations partenaires.